سبحان الله زم بحمده عدد خلقه ومداد نفسه آمين وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم عصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن واصلح منا ما ظهر وما بطن ونقض قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علي علينا تبعة لأحد اللهم إني إنا نسألك باسمك العظيم العظم الذي إذا دعيت به عجبت أن تصرف عنا كل الأمور التي تكدر خاطرنا وتسهر ناظرنا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار آناء الليل وأطراف النهار واغفر لنا يا غفار اللهم كما حفظت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في غار هراء فحفظ بلادنا نيجر من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم كما حفظت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في دار هراء فحفظ بلادنا نيجر من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم كما حفظت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في دار هراء فحفظ بلادنا نيجر من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم يا واحد يا أحد أدم علينا نعمة العافية في العقل والجسد اللهم يا واهب العافية ارزقنا العافية ولا تحرمنا العافية يا إله العافية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين الله سبحانه وتعالى عزيز القرآن وإذ تأذن ربكم ولئن شكرتم لأزيدنكم Allah a dit euh, qu'il a fait une déclaration solennellement que plus vous manifestez de la reconnaissance pour un bienfait que je vous ai accordé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala en augmentera. Par sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les élections tant attendues par le Nigériens se sont passées dans des conditions acceptables. Ailleurs, on apprend des gigantesques euh, euh, euh, dégâts à au cours des élections. Et ici, Allah a voulu que les choses se passent vraiment dans des conditions que tout le monde a aimé, car les élections avaient été accompagnées de beaucoup de prières et les éléments ont prié dans les mosquées dans les radios, dans les télévisions, dans les makaranta. Et l'ensemble de toutes ces, <coughs> ces là Allah subhanahu euh, les a acceptées et c'est ainsi qu'aujourd'hui euh, euh, les élections se sont passées dans des conditions acceptables, n'est-ce pas En tout cas, il n'y a pas de dégâts considérables même s'il y en a quelques, on en parle un peu, et quelques problèmes ça et là, et ça ne peut pas ne pas se passer c'est une œuvre humaine, comme on a l'habitude de le dire, mais le fond, c'est que Allah a accepté ses prières et donc euh, par sa grâce, nous le remercions et c'est de cela que nous allons euh, parler aujourd'hui avec notre Mustafa salam alaikum, voilà, balisé. Euh, dans la première partie, nous parlerons de cela. Nous allons également évoquer un autre problème dans la deuxième partie, Inch'Allah, concernant euh, les, accidents qu'on constate en ce moment, dû essentiellement à, peut-être un manque de patience, euh, n'est-ce pas, des uns et des autres. Nous allons également en parler de ça à la dernière euh, époque, époque, la dernière épisode, donc Inch'Allah. Frère Mustafa, qu'est-ce que cela t'inspire comme introduction salatu euh, Vraiment, à travers l'introduction, vous avez presque tout dit, parce que vous avez résumé effectivement le sentiment que tout musulman nigérien, particulièrement, devrait avoir. Et que Allah, dans sa félicité, nous a montré vraiment le bout de tine Parce que vraiment, à la veille ou quelques semaines ou quelques mois avant les élections, vraiment. On Vraiment, on a senti, chacun de nous, on a senti une sorte de montagne sur nos têtes. Donc, euh, c'est ce qu'on dit sur nos têtes. Et Alhamdulillah, vous avez dit que euh, avec le doigt des uns et des autres, le Zulama et au-delà, de tous ceux qui sont de, bons, de bonnes intentions, n'est-ce pas Allah nous a montré effectivement la fin de cet, épisode et que nous souhaitons que ça, couvre toutes les autres étapes de la même manière. En cela, on ne peut que remercier Allah, Allah et rappeler aux musulmans qu'il ne faut pas baisser cap. Parce que quand on gagne une bataille, on ne veut pas crier a gagné la guerre. La guerre s'il y une petite étincelle, <laughs> et, ça, peut vraiment déclencher les choses. Donc moi je crois que à travers euh, cela, on peut que ça réjouit les personnalités concernées à qui on a attiré leur attention n'ont qu'à oser multiplier les bons les bonnes intentions, les bons actes, les, bons propos, n'est-ce pas Parce qu'ils sont des pédagogues, ils sont des enseignants en face les Donc, donc, à aider d'améliorer davantage. Ils ont vu les résultats. Maintenant, il faut améliorer davantage les choses pour qu'on puisse aller vraiment de là-bas. Voilà en gros ce que je peux dire pour le moment. Et on va revenir par rapport à la circulation et, vraiment les désordres qui se passent. il a dit qu'il ne faut pas baisser la date, c'est-à-dire continuer à prier. Oui, moi je voudrais utiliser certains éléments de ce que vous avez déjà euh, avancé. La première des choses, si on entend ce qui se passe ailleurs, et effectivement, en plus de cela, euh, moi je me dis que si on pouvait euh, écouter nos téléspectateurs, je pense que dans l'ensemble, nous reconnaîtrons que la vie d'aujourd'hui a tant besoin d'invocation. On a tant besoin, comme il l'a dit l'autre élément, il faut continuer, il faut persévérer, mais il faut aussi faire, Moustapha l'a dit, le deuxième aspect qu'il a écouté, il faut le faire avec une bonne intention une bonne intention parce que vous avez, même dans les invocations de euh, imam Abdel il a invoqué la protection de Dieu. Sur l'ensemble du pays. Donc il faut continuer à invoquer l'amélioration de nos conditions, la miséricorde de Dieu. Il faut continuer invoquer, purifier surtout les intentions. Parce que c'est une condition d'agrément des invocations. Mais c'est dire aussi ce que je vais ajouter par rapport à ce que je vais dire. C'est dire que c'est un devoir pour chacun et pour chacune des musulmans d'invoquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi nous a montré, en plus même de ses enseignements, de collaboration et des enseignements coraniques d'ailleurs, il nous a montré euh, l'exemple du souci de la Ouma, du souci de la communauté. Mhm. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses et au-delà du souci euh, de la communauté, le souci de la Ouma, c'est lui, de nos descendants, ceux qui vont venir après mhm. Donc il y a bonne raison que chacun et chacune ça tel comme vous l'avez dit, pour que Allah nous épargne davantage de tout ce qu'il y a de mal à contre de ce que le cœur n'aime pas, l'oreille n'aime pas entendre, les yeux n'aiment pas voir, que Allah subhanahu wa ta'ala euh, euh, nous ramène sur les rails que Allah subhanahu wa ta'ala redresse tout ce qui ne va pas. On a tellement besoin d'autres aspects, ce que, Alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit invoquez-moi. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Donc, Dieu merci, Allah a fait de nous, de notre communauté, une communauté largement musulmane, largement coréenne. Et voilà un, une voie de recours tant conseillé par le prophète Mohammed à laquelle il faut recourir, il faut le faire absolument avec masha Allah alhamdulillah rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار اليقين Donc euh, le problème de, de la paix, de la cohésion sociale hein, et de la tranquillité, c'est l'affaire de tout le monde. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses hadiths, il dit Mon Et tout celui qui ne se préoccupe pas du problème donc, de la communauté, de la société, ne fait pas partie de <laughs> nous. Donc la situation, elle est, grave. Et ce qui vient vers nous ne concerne nullement pas X seulement ou Y, mais c'est tout le monde il faudrait qu'on arrive à vivre vraiment en paix. Il faudrait voir euh, quand Anabi Ibrahim salam invoquait Dieu pour euh, la Mecque, il a d'abord euh, voulu que la Mecque reste en paix. Ensuite, il a demandé de, quoi manger et vice versa. Donc voilà. Donc qu'Allah subhanahu nous assure vraiment la sécurité, la paix, la cohésion sociale dans toute la communauté de la Ouma islamique et particulièrement notre Niger. On a parlé de, de, la, de la cohésion, on a beaucoup insisté sur les droites. C'est vrai, il faudrait que, en tout cas, la population, la communauté montre son désir de vivre en paix, n'est-ce pas Alors, aujourd'hui, si vous me permettrez, je dirais qu'il y a deux grands groupes, n'est-ce pas il y a cette masse, la communauté qui est là, euh, n'est-ce pas Et il y a les acteurs, les acteurs politiques. Alors si la masse populaire décide d'accompagner toutes ces activités avec des droits, il faudrait que... Et avec un comportement responsable. Avec un comportement, il faudrait que les acteurs également comprennent il faut qu'il ait le souci également de voir cette communauté qui veut vivre en paix. Il faudrait qu'il comprenne que cette communauté veut vivre en paix et il faudrait que les acteurs concernés également participent à, cette activité-là. Les premières élections ont concerné des milliers, peut-être des gens, n'est-ce pas Les locales, euh, comment ils les appellent. Ensuite, il y a eu le premier tour de présidentiel accouplé euh, au législatif. Aujourd'hui, c'est des élections présidentielles. En gros, et en tête, c'est deux personnes qui sont concernées. Mm-hmm. Alors, il faudrait que ces personnes comprennent que ce Niger veut vivre en paix et il faudrait que eux mêmes les concernés, participent à la recherche de cette paix. Comment alors, euh, Mustafa, peut-on les accompagner, les susciter Comment eux aussi de leur part, il faudrait qu'ils participent à la recherche de cette paix-là. Dès lors que vous savez que vous êtes investi, <laughs> c'est pour vous qu'on est en train de chercher à, nous confier. C'est à vous qu'on cherche à nous confier. Mhm. Mhm. C'est dès là c'est à l'un des deux-là mhm. qu'on cherche à se confier. Donc ça veut dire que c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité, ça c'est même pas à dire. C'est-à-dire que ce sont deux de support d'une d'une épreuve pour eux. C'est une épreuve de supporter les gens. La semaine passée, on en a parlé. On a, on a, dit, on a dit que euh, euh, euh, prendre tout un état, prendre tout un... On a vu, c'est que Allah lui-même, il a, avant de confier ça, il, a fait invite à beaucoup de, Moi, je crois que c'est même maintenant les grands moments capital pour parce qu'on a fait une sorte de... On a tamisé les mhm. choses, mhm. on a vraiment déblayé les choses, mhm. et les gens ont montré un tel, si tu n'as pas il ta, tant de choses parce qu'il y a une insuffisance, voilà. Un tel, voilà, les gens se sont fait à, l'intérieur d'eux-mêmes. Mhm. quels les ont montré, mhm. un tel, tu ne pas parce que c'est si. Mhm. C'est à l'intérieur d'eux. Donc, c'est à eux maintenant de faire les efforts. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est pas pour ne pas, c'est pas pour se que non, non, c'est parce que je suis un tel ou un tel. Non. C'est-à-dire, c'est maintenant le groupe de C'est maintenant le de travail. Mm-hmm. Mm-hmm. il faut faire attention avec Amana. Mm-hmm. les deux il faut faire très attention. Tant que tu ne mets pas les deux à devant toi, Allah même ne peut pas te laisser. Parce que imaginez, nous tous ici, nous tous ici, on est partis plaider Allah euh, euh, euh, donne-nous donne vraiment les, les, meilleurs des imams mm-hmm. qui devraient nous mm-hmm. diriger. Mm-hmm. On est parti, on a pris les billets, on a mis des les Chacun de nous a, exécuté les choses. Je crois que c'est un honneur pour tout celui qui va venir, vraiment, de respecter ce qu'Allah a dit dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم parce que tout acte maintenant après avoir été après avoir été dans les épreuves, mhm. tu es sélectionné, je crois que tout ce que tu vas faire, c'est des gang-gang. C'est expert. Mhm. Ça, il n'y a même pas à dire, on n'a même pas besoin de, de passer par le chemin. Mhm. Si tu le fais, c'est que c'est des gangam Parce que les gens, le peuple a sélectionné. Le peuple a fait les. les, les, les c'est la corruption. Oui, oui. je crois que c'était Tout acte négatif que tu vas poser. posé, wallahi, wallahi, <laughs> ça va t'en être fatal. <laughs> Il faut faire très attention, prendre les dépôts, la amana de tout le monde là. Vraiment, c'est une chose qui n'est pas donnée à n'importe qui. Pourquoi Allah n'a pas, donné ça à <laughs> quelqu'un qui, n'est même pas qui n'est même pas sur place Donc c'est comme ça, c'est parce que Allah choisit des choses et maintenant il nous a dit converger vers un tel c'est lui qui devrait prendre les choses. Ça, il faut que tout celui qui va venir, tout celui qui aura la chance d'être l'élite de Dieu, l'élite de nous le gérer vraiment qu'il sache que n'est pas une petite amana. Et tout temps qu'il va poser des mal, c'est exprès. Tout à fait et Allah va les, demander. Et nous aussi, on ne va pas les lui pardonner parce que nous l'avons élu, pas pour amener les gens à la dérive. À la dérive. Nous sommes sortis de loin, on n'a pas besoin de leur dire ça. Ils savent et tout ce qui nous reste, c'est que c'est de nous consulter. Où, vous, les peuples qui m'ont monté à cette, place-là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour effacer ça, pour protéger ça C'est ça qui reste maintenant. Donc il faut être sincère et honnête. il est clair que les concernés doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, effectivement, Allah. Surtout que désormais, l'implication de l'islam. Parce que c'est des musulmans Directement ou indirectement, il y l'implication de l'islam. Mm. Mais imaginez, à un certain stade de notre vie, il y a un découragement de l'électorat. Les électeurs sont découragés. Mm-hmm. Mais comme ils ont entendu des prêcheurs mm-hmm. sur les ondes des médias, mm-hmm. répéter, c'est une amana. Il faut aller. C'est ce qu'on appelle wakiliti c'est ça. Vous allez mandater. Et c'est Dieu, Dieu vous a responsabilisé à intervenir pour élire son vicaire, celui qui va gérer ses biens. Euh, à, l'occasion des prières, de euh, des cinq prières quotidiennes, et euh, à l'occasion des prières de vendredi, il y a cet apport religieux. donc, il y a eu, les gens sont sortis pour aller se décharger de cette responsabilité comme il le dit, de euh, cette amana. Donc il faut savoir que non seulement il y a l'apport de l'islam, mais il y a les invocations. Moi, je ne peux pas me rappeler combien j'ai entendu, dehors même, que ce soit dans les services, euh, dans les marchés, partout, combien de fois j'ai entendu des individus dire que Allah nous choisisse le meilleur, Tout ce qu'il y a de meilleur. C'était le qui Mais encore, que Allah nous épargne. Et parfois on dit, Allah, toi tu sais qui est comme ça, celui qui est comme ça, il mm-hmm. faut nous épargner. Mm-hmm. Donc, à partir de ces éléments jusqu'à l'exercice même du pouvoir, il faut se méfier. Il faut se purifier, il faut purifier son intention, mm-hmm. mais il faut se méfier parce que les invocations sont désormais là. Les musulmans ont mis tout dans les mains de leur créateur du de celui qui s'est réguler. Donc il faut que les gens se ressaisissent. Et c'est de ça qu'on a besoin. par exemple, un dirigeant qui l'a mis, il se il va faire euh, ses ablutions, euh, faire ses déracates et demander à Allah de l'assister, de l'aider. Cette prière, pour la un Oui, cette prière, vous cherchez à avancer, vous cherchez à gagner le pouvoir, vous cherchez à. Euh, obtenir un poste élevé, mais la population s'élève pour prier, pour que les gens, les choses se passent normalement, dans le calme Il prie pour que Allah amène du bien. Il faut quand même que Dieu nous assiste, nous tous, à être consciencieux. Vraiment à faire bien les choses et à nous décharger tous collectivement de cette amana de Allah subhanahu on va nous demander compte individuellement. et c'est lui qui a dirigé une, deux, trois personnes, un million, plusieurs millions, mhm. on va lui demander compte. Donc, une amana plus une amana. Mhm. la, la mana d'un peuple, mhm. c'est pas quelque chose de, petit. La mana euh, d'une commune, de deux personnes, d'une personne, c'est pas quelque chose de, petit. À plus forte raison, la mana de tout un pays c'est grand, c'est important. C'est grand, c'est important, y compris, y compris l'environnement matériel, animal. Donc c'est toute cette amana. Il faut qu'on rappelle Tout à fait. toujours que Omar Ibn Khattab craignait à ce qu'un âne trébuche. N'est-ce pas dans l'espace parce qu'elle n'a pas arrangé de l'espace gouvernement parce qu'elle n'a parce qu'il n'a pas aménagé il nous voit. oui nous voit, elle n'a pas bien aménagé le, <laughs> le voie elle craint à ce que Allah lui demande compte <laughs> donc cette amana est si grande qu'il faut cesser de jouer avec le Et chacun rendra compte de ce qu'il a euh, géré. Rabbil Alamin il y a un aspect sur lequel beaucoup insistent. Au cours de, ces élections-là, mhm. on a toujours parlé de la corruption, mhm. de la tricherie, de la ruse. La semaine passée, et on a un peu parlé de ça, mhm. que le prophète a dit, le corrompu, le corrupteur, et, même euh, l'intermédiaire euh, entre, eux et, celui qui pratique euh, la ruse, celui qui trahit mm-hmm. les gens mm-hmm. tous seront mm-hmm. en affaire. Et il y a cet aspect sur lequel aujourd'hui beaucoup pensent pour gagner les élections. Donc euh, il faut savoir que la situation est très grave en islam. Il faut se référer à ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit yeah. Qul malik al-mulk monde al-mulk man tasha wa tanzi'u al-mulk man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha yadfa'u voilà et vice versa donc euh, nous sommes tous des croyants nous sommes tous des musulmans il faudrait vraiment qu'on mette cela d'abord que, non que le Coran soit notre guide tout à fait tout à fait que ce soit nous mm-hmm. en tant qu'électeurs mm-hmm. que ce soit eux en tant que, candidats mm-hmm. Wallahi, il y a la sentence de Dieu qui nous attend tous. Parce que le pouvoir, c'est Allah qui C'est Allah qui, a le pouvoir et c'est lui qui donne le pouvoir à Donc il ne faut pas passer par des manières mm pour, pour, pour, être dirigeant. Mhm. Donc tout ce que vous aurez fait vraiment, c'est de péché. Mhm. Et celui qui aura aussi aidé un injuste à accéder au pouvoir, tout ce qu'il aura commis comme, péché, lui aussi, il, a, il a ses commissions de péché dedans. Donc euh, il faudrait que chacun de nous soit conscient et euh, vraiment de l'amana qui est devant nous. Mm. Voilà. Et qu'on soit sincère et vraiment dans ce que nous faisons. Afin d'éviter le, malheur, quoi. Mm. Mm. Tout à fait. la Oui. Tu as quelque chose à ajouter hein? Oui, il y a, au fait, euh, il y a une idée souvent qui nous amène à tout cela. Mm-hmm. Que ce soit la corruption, que ce soit il y a quelque part l'effet de chute de la foi. il faut mhm. alimenter, mhm. on l'a rappelé plusieurs fois, par le Parfois, c'est-à-dire on accroche sa vie à quelque chose mhm. ou à quelqu'un. La politique, ce n'est pas forcément l'apanage de tout le monde. On, veut la bonne gestion, mais il ne faut pas que chacun dise il faut qu'il mange dans la politique. Il faut qu'on dise corruption ou c'est un déficit. Or, qu'est-ce que l'islam a recommandé L'islam a recommandé de manger licite, de façon licite. Mm-hmm. Donc, c'est de cette façon. Alors, ceci pour dire que, pour que ça change, de tout point de vue, de tous les aspects de la politique ou de la vie nationale, l'islam a son mot à dire. Normalement, on élit une équipe on la laisse travailler. Travailler, c'est lui qui s'occupe de ceci, il s'en va, il cherche, il est un militant, il prend une carte électorale, il cotise. C'est de cette façon qu'on peut avoir une gestion saine si on revient sur l'orthodoxie. Donc ça, ça cadre avec ce que l'islam dit. Chacun doit chercher à gagner par le licite, pas, pas venir, on me paye je vais vendre ma voix, je vais vendre mes gens. Donc, je vis de la corruption, ma suite va vivre de la corruption, le pays sera corrompu et les conséquences aussi vont, vont retomber sur le pays. Mhm. Donc, c'est un rappel en termes de foi mhm. que Dieu nous assiste mhm. à le cycle dont on parle quel meilleur cadeau, quelle manne, quelle richesse pour un musulman. Le rappel de Dieu, il faut qu'on le fasse pour s'en tenir à cet enseignement, en fonction duquel on a fait la profession de foi, en fonction duquel on prie, on jeûne. On a la foi à Allah qui enrichit, qui nourrit, le pourvoyeur, le sauveur, le protecteur. Il faut qu'on alimente nos voix au point de pouvoir résister à ce genre d'emprise-là du matériel chez la dépratique. Que Allah nous assiste Amen, amen. Frère de façon générale, il faudrait ramener tous les acteurs. Tous les acteurs. Nous parlions tout à l'heure de deux, de deux personnes, mais maintenant, de façon générale, il faudrait que euh, les acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de se verser dans la politique, qu'ils comprennent que la politique n'est pas un terrain qui permet à l'individu de faire ou de dire ce qu'il veut. L'épée d'Amoclès d'Allah est au-dessus euh, de, la tête de tout le monde. Donc il faudrait qu'il prenne conscience parce que le plus souvent on a tendance à vouloir croire que la crainte d'Allah c'est le l'imam, c'est le marabout, c'est le... Non, mais oh non. Très souvent on voit au nom, par exemple, d'une quelconque corporation, soit c'est un syndicat. Au nom d'un syndicat, on s'imagine qu'on est libre de dire tout ce qu'on veut. Au nom d'un parti politique, on est libre de dire tout ce qu'on veut. Et tout cela, tout cela fera l'objet d'un compte rendu. Donc il faudrait que le croyant, le musulman, prenne conscience de cela. Et, et, si il y avait cette euh, prise de conscience générale, mais on sera encore beaucoup plus en paix. Là, la paix que nous avons, c'est nos prières, mais il faudrait que les acteurs comprennent que chacun, chaque acte que je pose, que tu poses, chaque parole que je prononce, tout cela fera l'objet d'un compte rendu dans l'au-delà. Vous savez, tout ce qu'on dit, euh, qu'il y a un grain de corruption là-dedans. Eh bien, c'est foutu. la corruption, c'est un, déficit de, la piété. Au-delà de ce que a au-delà de ce que nous avons toujours dit ici, c'est que avec ton âme et conscience. Mais ces gens-là qui, qui, comptent diriger un peuple, qui comptent nous gérer, mm-hmm. mais ce sont des intellectuels. Mm-hmm. Un intellectuel, il devrait travailler avec ça. Mm-hmm. Et aucune conscience professionnelle ou scientifique ne peut te permettre de te commander à faire, à faire ça. que même si tu gagnes une victoire, que tu le saches, si c'est dans les cas de, de, de, de corruption, de, de, de, de, et autres, c'est une victoire sans honneur. C'est une victoire sans honneur et sache que Allah ne va pas te faciliter la tâche. C'est clair et net. Et, et puis il ne peut pas aussi sanctionner la corruption. Mais il ne peut pas, ah, ah, justement. Il ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, imaginez que nous avons une administration où chacun craint Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire une administration où tout le monde viendra à l'heure. On a vécu des situations comme ça, des comme ça. Mais l'exemple, on sait d'où ça Voilà, ça vient du haut. Vous savez, Ismaël, la corruption, la corruption, c'est quelque chose de, dangereux pour celui qui l'a fait. Parce que si c'est une bonne chose, c'est tous ces hadiths, tous ces versets qui viennent. Hein, tout c'est dans qui vient pour nous dire, pour nous interpeller, pour nous mettre sur la règle de faire des biens, de vraiment d'avoir de bonnes intentions, n'est-ce pas, de, pas tromper, de ne pas tromper. Parce qu'en faisant la corruption, tu trompes les peuples. Les pauvres que tu vas trouver dans sa campagne, là-bas, là, en train de chercher de, sa petite pitance, tu lui donnes quelque chose qu'il va dépenser tout de suite pour lui enlever tout son honneur. Je crois que c'est pas un gloire, C'est pas, vraiment, c'est pas, pas responsable. C'est pas responsable. Donc que les gens qui ont cette intention-là sachent que c'est pas de cette manière qu'on dirige une communauté de musulmans. des musulmans, on, ne peut les gérer convenablement qu'avec qu'avec des respect des, des, soi, le respect des autres, et les justes n'est-ce pas on ne peut pas dire que la justice vous le c'est très fort. Mm-hmm. Si euh, on arrive à les faire tamer, mais comme tu l'as dit, de toute façon, quoi que tu fasses mm-hmm. dans cette vie-là, si tu as caché à X ou à Y les choses, tu ne peux cacher ça ah, à Kiram, Katibi, mm-hmm. Yalamouna Matafalo, et tu seras demandé de, tout ce que tu as fait par rapport à la gestion de Amana. Donc, chacun va dire les choses et on va tamer ton livre tu as fait telle chose tu as trompé mal un tel de tel jour là pour assouvir tes, besoins tu as trompé un tel jour là pour assouvir une chose là tu as utilisé l'ignorance ou la faiblesse de tel là pour, pour assouvir ton chose alors que tu es déjà rassasié en allant vers lui tu es déjà rassasié parce que tu as quelque chose à lui donner et c'est encore pour augmenter sur ça là, sur sa misère et sur ton bien, que tu vas le faire. Je crois qu'il faut faire très attention. Il faut, il faut retourner à Allah subhanahu Il faut savoir que euh, ceux qui pratiquent ce genre de choses, vraiment, c'est pas une gloire pour eux, c'est pas vraiment un honneur, c'est plutôt des difficultés qui vont, euh, qui vont ajouter à leur, à leur, gestion, à leur, à leur vie. Et je finirai par dire que, vous savez, la amana là, te confier tout le monde là, c'est pas une chose qui s'achète. Non, non, les gens viennent d'eux-mêmes. Il faut avoir foi à Allah. Il faut montrer le bon exemple. N'est-ce pas Les gens vont venir d'eux-mêmes. Et tu vas voir que partout on va parler de toi Parce que par-dessus tout ce que tout ce que tu nous as fait là, de, de, de Terra à Ningimi, de d'Arlit d'Ifron à je ne sais pas où, on va te demander tout ce compte-là. On va te dire, un tu as et tu as trompé les gens d'Arlit, tu as trompé les gens de Gaïa, tu as trompé les choses. Maintenant, ramène tout ce que tu as fait là et dites-nous, voilà ce que tu as fait. Dites-nous même ce qu'on devrait te faire comme jugement. On va, on va te montrer tout ça. Vraiment, être bon, être généreux, être, prendre conscience d'un problème est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire si on veut vraiment faire du bien, en chaque individu a ses deux pistes, négatives et positives. Alors, c'est à chacun de choisir laquelle de pistes il veut euh, utiliser beaucoup plus. si c'est une piste en bien, mais on deviendra quelqu'un. Faire du bien, c'est c'est gratuit et c'est possible. Et cela existe en chaque individu. Ah, Donc je pense que euh, nous, pensons que euh, tout est possible si on a la bonne volonté vraiment euh, de suivre les commandements d'Allah. Oui, en fait, on le voit à, partir de ce qu'on a dit sur les invocations. Mhm. Le réflexe est cultivé mhm. aujourd'hui. Et jusqu'à partir des imams, on a des fidèles. Mhm qui répètent mhm. les enseignements qu'ils ont reçus mhm. et les enseignements de la beauté. Mhm. Ça veut dire qu'on a suffisamment impliqué ça. En tout cas, pour le cas du Niger, bon, malheureusement, il faut le dire, on est en stade de déperdition. Parce que, rappelons-le comme on l'a dit autrefois, le concept de générosité était uniforme au niveau de toutes les communautés. C'est le même, c'est, le même comportement, mm-hmm. le même réflexe. Mm-hmm. La bonté, mm-hmm. la valeur de l'individu, n'est-ce pas Le réflexe de cohésion sociale, celui de l'entraide, c'était cultivé. C'est à ça qu'on s'attend. C'est fait l'exercice de cela. Ce pays, ce peuple, un seul. Qu'est-ce que l'islam recommande Aimer pour son prochain, c'est qu'on aime pour soi. Parmi tant d'autres Aimer pour son prochain, ce qu'on aime pour mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. soi-même. N'est-ce pas Tant qu'on ne le fait pas, on n'a même pas, on a la foi chancelante. à Il y a un hadith qui dit, donc, les, donc c'est daïf, le terme oui, voilà. Oui. Donc l'amour de la patrie également mais à plus forte raison, il manière d'un peuple, d'une communauté. Donc il faut qu'on sache que là, son amour doit être plus grand. je m'en vais rappeler un exemple qu'on a plusieurs fois répété ici. Autrefois, au moment où le DG du Niger, jusqu'à présent c'est la même chose, on donnait à l'occasion de 18 000 par trimestre mm-hmm. à certains élèves, d'autres 12 000 au collège. Mm-hmm. Mais d'autres parents qui n'ont jamais vu le père de l'élève, et l'ont pris en charge pendant six mois. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui a permis à beaucoup d'arriver. Hein. D'arriver. Mm-hmm. Donc vous, avez parlé du concept de, solidarité, de, la générosité. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai dit on est même au stade de déperdition. Mhm, mhm, Mais alors ici, plus que ça, c'est une dette qu'on prend. Mhm, c'est une amalade. Donc c'est comme ça qu'il faut le considérer. Au contraire, dans ce programme, ce qu'on est en train de perdre là, ce concept, ça veut dire que dans même le génie de l'État, dans la responsabilité de l'État, d'éduquer, d'encadrer, d'interner les jeunes, les enfants à l'école, il y a des citoyens qui ont contribué autrefois. Répondez oui ou non. Oui, bien sûr. N'est-ce pas Tout à fait. Tu héberges quelqu'un par trimestre, tu n'as que 7000 francs. Tu le nourris, tu l'héberges. Regardez l'apport des L'assistance Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect solidarité, il y a même des formes de solidarité, il y a des idéologies et des idéaux reconstruire. Non seulement je dois l'exercer, quand j'arrive à obtenir ce fauteuil, mais il faut que je sache qu'il y a quelque chose à reconstruire en termes d'idiot qu'on est en train de perdre. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il faut le répéter, il y a des enfants qui déambulent chaque jour dans les rues et dans toutes les de la Si on avait l'autre, les, les, gens qui, les communautés, nos parents, nous ailleurs qui avaient ce réflexe, ne laissez pas faire. Ton, le fils de ton voisin, le fils de ton frère, de ta grande soeur, parce qu'elle est décédée, parce qu'elle n'en a pas, on les laisse déambuler. Donc, au-delà de ce réflexe que je, je dois cultiver, c'est entièrement il y a quelque chose à ressusciter. Il faut un programme concret. Et ça, c'est avec ça que la communauté va se retrouver, parce qu'on s'achemine vers ce qu'on reconnaît aujourd'hui, voir une forme d'individualisme. Individualisme, mais aveugle parce que et quelque part, il n'y a, a, même pas l'apport. Parce que l'autre individualiste il peut construire la communauté. N'est-ce pas Je réussis en sciences, en mathématiques. Je fais quelque chose de mathématique pour que profit. profite. Mais nous, notre individualisme, c'est moi et moi seul. Oui, oui, je suis spécialiste, je suis, euh, comment dirais-je, agronome, je réussis. Mhm. J'ai créé quelque chose mhm. pour que d'autres profitent, pour que d'autres soient engagés. Mais nous, ici, c'est l'égocentrisme, les euh, peut-être à lettre capitale. Hein? C'est pas si, on peut le, mhm. comment dirais le mhm. transcrire, mhm. si on doit le transcrire pour bien caractériser comme ça, pour bien caractériser les choses. Donc, répétons-le. Ce réflexe de solidarité qu'on qu la population, elle est désormais solidaire, avec les bons souhaits, avec les invocations. Elle a le souci, elle contribue. Il faudrait que nous, quand on va gagner, ou même en organisant les élections, il faut qu'on évite, qu'on épargne le peuple de mm. certaines calamités, de certaines psychoses. Normalement, normalement, Et de certaines mauvaises gestions. Bien sûr. Alhamdulillah Rabbil Le messager sallallahu alayhi wa sallam a <coughs> chaque jour que Dieu fait, mhm. c'est l'occasion pour certains d'agir mhm. pour s'affranchir du feu de l'enfer. Mhm c'est l'occasion mm-hmm. pour d'autres mm-hmm. de, mm-hmm. ouais, d'aller vers. Oui, oui, de, de, pour avoir le paradis. Donc, euh, ce hadith-là nous incombe tous. Celui, en tant qu'électeur, qui aura agi positivement, il s'offre le chemin du paradis. L'électeur qui aura agi négativement, il aura agi pour aller en enfer. C'est ainsi le candidat mhm. qui a son âme et conscience. Mhm. Il vient pour aider. Mhm. Même s'il a été incapable, c'est l'intention qui Même s'il a échoué, même s'il a échoué, il aura une récompense. Il aura une récompense. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il veut faire. C'est ce que Omar a dit à Abou Bakr qui se plaignait de cette responsabilité. Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un dirigeant, s'il essaie de, faire quelque chose, et s'il se trompe avec une bonne intention, bien mhm. sûr, s'il se trompe, il aura une récompense. S'il réussit, il aura de la Voilà. Donc, euh, les dirigeants qui, eux, se sont portés candidats, dans l'intention de faire du bien, mhm. Allah va les assister et il les ouvre la porte du paradis. Mais s'ils sont mal intentionnés, dès au départ, dès au départ, c'est cette intention ah, qu'ils sachent que vraiment ils ont choisi eux-mêmes d'aller en enfer. Ça c'est clair. Donc de ce fait, que chacun de nous soit humble, qu'on revienne à Dieu, mm-hmm. qu'on craigne Dieu. Mm-hmm. Ces derniers jours-là, Combien parmi nos frères, certains même sont des dirigeants, on a creusé la terre pour les mettre. Ils sont partis. Hein? Ils sont partis. Et ils ne vont pas revenir. Voilà. Et Amir, et Haladou, Mustafa et moi-même. <laughs> Combien de temps est-ce qu'il nous reste avec On ne sait pas qui c'est. Voilà, personne de sait. Donc voilà. Donc euh, que, chacun de nous sache que l'amour nous attend. Aujourd'hui ou demain. Voilà. Et chacun va rendre compte de ce qu'il aura fait sur cette terre. C'est ou aujourd'hui et demain. Ah, ça, Voilà. Aujourd'hui ou demain. Ou demain. Ou demain. Donc que ces gens-là sachent que réellement, <laughs> les électeurs, les, toute la chaîne. Tout à fait. Toute la chaîne. Oui, les autorités électorales. <laughs> Faites attention pour ne pas tromper X pour Y. Tout à fait. Ça, ils ont une responsabilité ça, c'est des injustices. <laughs> Vous savez encore ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à l'injuste Ne vous approchez pas des injustes. Mm-hmm. Parce que dans l'interprétation, certains mm-hmm. exégètes ont dit ne vous asseyez pas mm-hmm. avec eux, ne mangez pas à table avec eux, ne prenez pas le même bus avec eux, afin que le feu qu'Allah a préparé pour eux ne vous touche. Ça ne faudrait pas qu'il y ait des... Les étincelles, voilà, qui... Tout, bon, voilà, qui vous brûlent. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas peur d'être injustes. c'est ça justement. Donc, tout, voilà. Et pourtant, c'est facile d'être juste. C'est très facile d'être juste. Et c'est très facile. d'être juste. Tout, tout, voilà. Que ceux-là qui sont dans la chaîne, et vraiment les autorités électorales aussi fassent attention. Voilà. Vous avez le, la destinée de tout un peuple dans vos mains. créez Dieu et soyez juste. Voilà. Salam Alors il est 10 heures euh, onze 11h30, nous avons promis de parler très rapidement de... Ah, le temps 15 minutes. Euh, si vous voulez, on, continue pour parachever. Oui, on a promis, on a promis, c'est dans notre N'est-ce pas Donc, euh, euh, pour clore la première partie, nous rappelons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans l'au-delà, ceux-là qui seront plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui auront plus d'éminence, qui auront plus de, de proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les dirigeants justes. Et par contre, ceux qui seront éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les dirigeants le contrat à opprimer. Donc, prenons conscience de cela et craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah assistera euh, tout, tout, dirigeant qui la nuit s'élèvera, euh, fera ses deux rak'at et prier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah acceptera cette prière-là. Nous ne faisons que le rappeler à ceux-là qui sont candidats, euh, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de les assister aussi, de les aider parce que les guider. De les guider parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et la semaine nous a appris à prier pour ces gens-là, euh, de sorte que euh, s'ils sont bien, mais c'est la population qui va sentir. Oui, il, faut, il, faut, il faut insister là-dessus. Non, non. Parce qu'il ne faut plus qu'on se fasse d'illusions. Tout à fait. On n'invoque pas mal contre un dirigeant. Non, non la sunna ça fait euh, partie ça fait partie du devoir du musulman on les conseille mm-hmm. on leur donne la choura mm-hmm. et on invoque le Tout à fait. Ça, vraiment, il faut qu'on se, qu'on se fasse, qu'on, vraiment qu'on écarte cette idée. c'est important de, Le problème, c'est de, euh, de, la consultation. un, dirigeant doit savoir consulter et tout un chapitre a été consacré dans le Coran. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est une qualité euh, d'un bon, bon dirigeant de consulter. Et une fois qu'il a consulté, consulté, une décision est sortie, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, effectivement, ça, d'abord en amont et dans l'exercice. En amont avec la prière de l'istikhara, n'est-ce pas Et dans l'exercice. Pour ça, moi, je pense que même d'un point de vue, il y a, y, a, les mécanismes, il y a des conseillers, il y a des cadres, il y a même dans certains salariés, il y a des présidents de conseil, tout ça là. Il y a un conseil de ceci, ça existe, mais le devoir du musulman, le devoir du musulman, c'est de conseiller, d'invoquer. Donc, tu veux que ça change, propose. Toi, tu as dégagé ta responsabilité. Et tu invoques. Et c'est effectivement par ça qu'on a commencé. Il faut qu'on sache qu'on a le devoir, la responsabilité. Mm-hmm. D'abord, même la carte électorale, n'est-ce pas mm-hmm. C'est ton droit qu'on t'a donné. Mm-hmm de diriger le pays. Mhm. On t'a dit de, de, déléguer quelqu'un. Il faut, il faut mhm. bien. Mhm. Tu délègues quelqu'un, mais il faut savoir qui déléguer. Mais alors, qu'est-ce qui doit s'en suivre C'est les bons conseils, c'est les invocations. Mais pas aimer du mal, aimer détruire ceci, euh, invoquer pour que quelque chose de mal arrive avant qu'on attaque la deuxième partie. Non, vous savez, non, euh, c'est vraiment minute Parce que moi, je, je, je, je crois que Istakhara et c'est pas tout le monde, même parmi nous les marabouts, c'est pas tout le monde qui connaît faire ça. Euh, recommander ça euh, à un candidat ou, je ne sais pas, à un dirigeant ou à celui qui prétend diriger les choses, c'est un peu de Il va passer tout son temps en train de réfléchir. comment je vais le faire bien. Moi, je crois qu'il suffit de se de, de à ce que le prophète a dit. Et vous avez développé ça ici. C'est-à-dire, sache que si tu fais un acte dans une minute, tu peux mourir dans, une autre minute mhm. et tu vas en rendre compte immédiatement. C'est en cela que je rappelle simplement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel il dit les Le a dit que vis ta vie dans n'importe quelle circonstance où tu te trouves, vis ta vie comme quelqu'un qui est, un, visiteur, un visiteur, un transitaire, un voyageur, c'est eh, eh, ou bien quelqu'un qui va quitter définitivement on qui veut traverser Comme un arrivant, comme un, un partant tout de suite. C'est comme ça qu'il faut vivre ta vie. Il dit, si tu as vu le matin, ne t'attendais pas au soir. parce qu'il y en a qui vont si tu as vu le soir, ne dis pas que demain je ferai telle chose. C'est tout ce qu'il reste à faire. C'est comme ça qu'il faut pour peut-être se sauver et sauver nous autres qui serons approchés et par la, la, la, la loi d'Allah à Parce que quand ils seront choisis, c'est Allah qui nous dit que nous devons la faire de respect. Ben, écoutez, on a on tiendra la parole. La promesse, c'est-à-dire, on a fait le constat depuis un certain temps qu'il y a beaucoup d'accidents. Et les gens en Niamey, ils roulent à une vitesse assez inquiétante. C'est comme s'il y a une excitation. Donc, euh, en fait, notre souci, c'est c'est de faire en sorte, parce que rouler à cette vitesse-là et dans ces conditions-là, c'est très grave, très dangereux pour la société. ça produit beaucoup d'accidents. Euh, et c'est peut-être pourquoi des petits conseils de patience, n'est-ce pas, de, toujours de fraternité. Parce que, euh, regardez, regardez l'aspect, la réaction. C'est-à-dire, si quelqu'un vous coupe une priorité, n'est-ce pas, tout de suite vous avez la réaction d'agir, vous avez l'intention de réagir. Mais quand vous, souvent négativement, mais souvent quand vous vous apercevez que cette personne vous la connaissez, automatiquement la température descend. C'est-à-dire que euh, euh, vous, ne, vous comportez pas comme si, il y, a des moments où vous pouvez même l'insulter, mais une fois que vous réalisez que c'est quelqu'un qui, que vous connaissez, vous, la température baisse et ça doit être comme ça on est tous des frères pour tout le monde. Il faudrait connaître ce courage-là. Moi, je crois qu'il faut parler directement de civisme. Il n'y a pas de civisme. Il n'y a pas vraiment l'amour d'autrui. C'est ça. Ou l'amour de bien de physique. Parce que tout ce que tu vas faire, mm-hmm. si ça concerne quelque chose de tout le monde là, mais, il tu ne peux pas répondre mm-hmm. ni à cette société, ni à Allah, mm-hmm. de, de, l'empereur de, la faute accès de vitesse, tu sais que tu vas tuer quelqu'un, tu sais que tu vas blesser quelqu'un, tu vas te blesser toi-même. Mm-hmm. Eh bien, Allah a dit, euh, le prophète a dit, voilà mm-hmm. dara, voilà Il n'est pas permis à la personne, quelle qu'elle soit, de se blesser, de mm-hmm. se donner les blessures elle-même ou de blesser l'autre. Non, non, il n'y a pas de blessure ou de, de, de, de vraiment de, faire du mal euh, inutilement comme ça. Parce qu'en en fait, par-dessus tout, si tu arrêtes quelqu'un, sincèrement, qui est en vitesse là, tu lui dis que mais tu vas où Il ne sait pas. Il n'a aucune, il n'y a aucune préoccupation qu'il je crois que ça là, ce sont des gestes qui ne nous appartiennent pas, qui nous est étrangers. tout ce qu'on peut faire, c'est à ces, oh, dire à ces gens-là, si même on, on ne se crée pas de problème, le meilleur, c'est de, si on ne voulait pas c'est pas des, choses-là, le meilleur, c'est de rester tranquille, de faire les choses dans le nom Prendre le volant, il y a un code, il y a une science, il y a des règles qui sont là. Si tu ne le connais pas, eh bien, il faut, il faut laisser. Si tu connais aussi tes unions, sache qu'Allah va te demander pourquoi tu as appris quelque chose et tu l'as laissé. C'est comme le Coran. C'est comme le Coran. Tu les récites, tu laisses sortir là, Allah va te demander. Euh, mm-hmm. les gens seront demandés quelqu'un va dire Allah comment tu m'as avec avec mm-hmm. alors que je voyais bien. Mm-hmm. Dit que oui, on t'a envoyé, c'est la même manière qu'on t'a envoyé le livre, le Coran, tu l'as récité, tu as appris tout, tu as appris toutes les règles. Mais tu as laissé oublier et tu fais ça que oh, tu Eh bien, aujourd'hui, je suis en tribunal. C'est la même chose. Hein. Mm-hmm. Tu apprends quelque chose qui est de code, qui va sécuriser la Oumma tu laisses oublier ou bien tu ignores ça mm-hmm. exprès, mm-hmm. eh bien, tu es dans ce sens-là, tu vas te ressusciter mm-hmm. avec les Allah va te demander de quoi. Euh, euh, euh, Allah a dit ben, On parce que le courant doit être toujours courant, même s'il sort de chez lui, même s'il conduit. C'est-à-dire il a, il a ce souci de ne faire du mal à personne. Or, souvent, certains comportements euh, provoquent ces genres de désagréments. Souvent, ça va même jusqu'à euh, donner euh, la, mort. Bah, avant de revenir sur ce thème-là, je vais faire un trait d'union. Vous m'excusez sur l'istikhara. L'istikhara, là, ça soulage. Un Coran qui prête foi, c'est dans les textes, mm-hmm. à l'istikhara. Mm-hmm. Ça veut dire que d'or et déjà, il est préparé mm-hmm à, accueillir les conséquences, mhm. positives ou négatives. D'abord à se confier à Allah. À se confier à Allah. Mhm. Les conséquences, mhm. la décision de choix C'est déjà un rapport. Et même après avoir obtenu, il y a les textes suivants. N'est-ce pas Tu as fait l'Istikhara, quelquefois, quelque chose est devenu, on t'a dit voilà ce qu'il faut faire. Donc au moins on est épargné de certaines tâtonnages. Donc ça c'est dans les textes. Tout à fait. Alors, l'autre aspect, au fait, dans la circulation, c'est qu'il faut retenir, c'est que l'islam n'a rien à ah, oublié de mentionner. Tout à fait. Oui. Donc, euh, c'est une vie publique. Deux consorts de chez soi, mm-hmm. à partir de la porte même, on est sur une voie publique, ce qui mm-hmm. nous appartient à nous tous. Mm-hmm. N'est-ce pas et des gens qu'on va rencontrer qu'on appelle autori autrui mhm. quelqu'un qui n'est pas moi. Mhm. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed a dit Il a dit de tourner à la rue son la cacophonie, l'excès de vitesse qui peut nuire à X ou Y. Le manque, le refus de respecter certaines, dispositions. certaines dispositions. Euh, euh, euh, ça ne peut pas se ça, ne peut pas. Le fait de garer n'importe comment, le prophète a recommandé, des et même le fait de s'adresser aux gens de s'adresser aux gens. Le prophète nous a, recommandé, nous a conseillé de donner à la rue son droit, un espace, les dispositifs qui est dedans, tout ce qu'il y a de public, les hommes, les installations électriques, etc. Tout ce qu'on va rencontrer, tout ce qui est dans la rue. Donc on doit lui donner son droit en parlant et même en gesticulant. Parce que le prophète a trouvé les compagnons assis à une occasion. Ah, il a dit que. Qu'est-ce que vous faites Oui, qu'est-ce qu'ils font ça euh, Il a tendance à leur interdire. Ils ont dit non, non, on s'entretient, on échange. Il a dit il faut donner à la rue son droit. Regardez quelqu'un qui est assis. a plus forte raison, quelqu'un qui prend un engin dont on n'a aucune certitude, quelque chose peut lâcher, hein. n'est-ce pas mm-hmm. Donc, donner à la rue son droit, mm-hmm. ne pas critiquer, ça va au-delà de ça, hein, en dehors. Mm-hmm. Ne pas critiquer, ne serait-ce à travers des gestes, ne pas faire du mal, ne pas faire des choses. Et, la circulation, tout est codifié aussi. 30, km. respecter, la codification. Il faut respecter la codification, 30 km, 50 ici, par là, préserver la vie. Euh, tout à fait de, de, de, Et même la quiétude de, tous ceux qui s'y trouvent. vous savez, <clears throat> nous avons un problème d'application du Coran. Il nous arrive seulement d'appliquer le Coran dans les actes culturels. Mm-hmm. Et dans les rapports avec les autres, non, on oublie que le Coran existe. Est-ce que marcher le Coran ne nous a pas appris comment marcher. Ah mhm. mhm. faut être humble dans ta marche. voilà. Ah, bah, mhm. <laughs> ne marche pas euh, arrogance sur la terre. Ostentation. c'est Tu viens, tu, ne respectes pas le de la route, c'est de l'arrogance tu brûles les feux au petit que le panneau de stop et vice versa, tu renverses les gens comme tu le veux, c'est de l'arrogance. C'est autre Et tu ne dépasses personne. L'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leur main, il ne repart dans leur main. Ces gens-là que tu négliges, que tu bafoues, que tu renverses, tu viens d'eux. Mm-hmm. Tu vis avec eux. Mm-hmm. Tu vas mourir, c'est eux qui vont te laver. Et encore, c'est eux qui vont te transporter à l'intérieur. On a un problème d'application du Coran. Ça me rappelle une histoire, un ami, un frère plutôt, qui un jour a brûlé un virus et le policier l'a rappelé. Donc il, dit Habba. Il, avait une belle baroula. là. attends. Habba. Mais le plus souvent. Donc il était tellement gêné, tellement gêné vraiment, c'est juste pour rappeler qu'il faudrait qu'on respecte un peu tout cela afin de préserver la vie des autres. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous prions Allah de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les bénéfices euh, pour ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée. Inch'Allah, Allah nous clôt cela par une prière. Amen. Amen. آمين آمين آمين آمين آمين آمين اللهم صل على آمين آمين آمين آمين آمين آمين ولا آمين جيد اللهم آمين ولا توب علينا وانصرنا آمين تنصر علينا آمين آمين آمين آمين اللهم إنا نسألك على خير الدنيا والآخرة وكل الشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم اللهم انصرنا على جميع العالمين اللهم حفظنا على جميع العالمين اللهم اغفرنا من شر جميع العالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين امين سبحان ربك izzati amma sifin wasu salamu ala natalin alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum l'émission sera rediffusée inch'Allah le jeudi à partir de 17h30 assalamu alaikum wa alaikum assalam